pour votre émission Carte sur table, la politique sur Génération FM. Aujourd'hui, notre invité euh, s'appelle euh, donc euh, Maudodia, donc qui est donc qui fait partie de la cellule de communication de la coalition Dogo pour un grand Sénégal du ministre des infrastructures aéroportières Doudouka, ici présent Maudodia. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de partager le plateau avec vous, mais aussi avec les auditeurs et les auditrices de Génération FM. Je pense que vous avez fini par euh, amener une autre empreinte de la presse euh, au niveau local. Et vraiment, nous vous félicitons mhm. et vous encourageons à continuer sur cette lancée. Euh, une, une radio euh, qui ne cesse de montrer sa neutralité. Mhm. Hein, malgré euh, euh, un, monde, un Sénégal qui ne cesse de connaître des mutations, un Sénégal qui ne cesse de nous montrer d'autres visages. Vous avez su, malgré la pression, je sais que vous en vivez, de rester sur votre ligne, à savoir informer juste et vrai et d'être dans la neutralité en tant que euh, directeur. Euh, je vous remercie et je vous, euh, encourage à continuer sur ces lancers-là. Merci, monsieur. Merci beaucoup euh, donc Maudoudia, pour euh, cette attention particulière justement pour le travail que fournit sur le terrain Génération FM. Je rappelle que Carte sur table est animée par votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou La technique euh, radio est assurée par Patrice Mendy euh, pour la digitalisation. Merci à vos auditrices et internautes. digitalisation assurée par Papi Sibrema Gassamo. Maudodia, vous faites d'abord partie d'un mouvement avant donc d'intégrer dans cette coalition de l'APR dirigé par euh, donc, le ministre Doudouka. D'abord, parlez-nous de vous, de votre mouvement et euh, pourquoi cet engagement politique. Bon, je pense que <laughs> d'abord, je vais terminer là où je vais débuter là où vous avez commencé. Il faut dire que j'ai trouvé mon papa euh, politique. Hein. Ousmane Dia, pour ceux qui le connaissent à Kanya, savent qu'il fait partie des, de ceux qui sont battus pour que Kanyala intègre d'abord la commune de Ziguinchor en 1975. Mm-hmm. Et je pense que les premières infrastructures aussi, c'est euh, sous la direction de mon papa. Euh, et pendant que l'autre là était maire aussi, Mamadou Abla ici, effectivement. l'école Matar a vu le jour, euh, Mamadou Kieta par la suite. Euh, après, il y a eu le marché. Hein, et, et les autres infrastructures ont suivi. Je me rappelle juste même vers les années 80, alors qu'on était vraiment plus rural que, qu'urbain, hein, il, avait, il avait réussi à faire euh, venir des cars, des cars urbains. Mhm. Malheureusement, le projet a échoué parce que les populations avaient du mal à intégrer l'outil dans leur déplacement, dans leur communication par rapport au centre-ville. Donc, je suis né dans une famille politique, j'ai trouvé un papa politique. Et par la suite, voilà, euh, le virus... Euh, vous, vous gagné M'a gagné, je peux dire, c'est en 98 où j'ai commencé à, un peu, euh, comment encore, à m'essayer en politique. Mhm. Et avec l'Alliance Djefjel, dirigée par mon ami frère Talasila, et de là, voilà, aujourd'hui nous sommes dans la mouvance présidentielle. Et comme la politique est une passion pour moi, et je me suis dit que maintenant qu'il faut commencer l'expérience que j'ai eu à engranger depuis ces, années-là, je dois pouvoir apporter une autre manière de faire la politique avec des amis. Nous avons mis sur pied le cadre citoyen pour un développement durable, Baïsawar, l'appel à la citoyenneté active le 2 2 d qui est dans la, qui est dans la coalition Dogo pour le Grand Sénégal, dirigée par le ministre du Transport aérien euh, et du développement des infrastructures aéroportières, mon ami et jeune frère, le ministre Doudouka. Mhm. Donc, voilà l'historique euh, qui a fait de moi aujourd'hui euh, un politique. Parce que je n'aime pas comme on dit politicien. Mhm. Votre mouvement est né dans un contexte assez particulier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Maudoja, euh, c'est dans un contexte de mutation politique. Qu'est-ce qui a motivé ou qu'est-ce qui a plaidé pour le choix du camp présidentiel Bon, vous savez, euh, il faut dire aussi que le dessin a voulu que depuis 2000 pratiquement, je ne cesse de faire le tour du Sénégal. Soit ce sont mes activités professionnelles qui l'ont expliqué, mais aussi mon engagement dans, euh, dans, dans, le mouvement associatif, parce qu'il faut dire que je fais partie du comité, euh, du comité euh, exécutif de l'ONGAM. Donc, à travers le Sénégal, <laughs> je vois toutes les réalisations qui ont été faites avant que, avant, avant, avant après 2000, 2012. Je me dis que quelque part, l'homme qui est sur place, il est en train de créer des opportunités. Parce que c'est là où les gens se trompent euh, quand les gens parlent de l'emploi, j'ai dit qu'il faut que désormais que les gens s'intègrent dans leur vécu que l'État n'est là que pour créer des opportunités. Donc, l'antidote euh, du sous-emploi des jeunes, ce sont les opportunités. Et rien d'autre que les opportunités. Et si je prends l'exemple de, de, de, la voie euh, appelée Boaké, quand elle a été inaugurée je pense que quand vous allez à partir de 19h, vous voyez que ce sont des opportunités pour nos mamans qui vivent, nos sœurs, mais les autres qui ont commencé à partir de 19h jusqu'à jusqu'à 0h, développer des activités économiques. Donc, c'est ça qu'on attend de l'État, c'est de créer les opportunités. Maintenant, c'est aux populations de profiter de ces opportunités-là pour développer des activités. C'est ça l'essentiel. C'est ma vision des choses et avec le présent, euh, je pense qu'on est en train de le vivre. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de tout attendre chez eux, sous les manguiers et les anacardiers, c'est vrai qu'ils ne vont, pas, <laughs> ils vont pas voir que le Sénégal est en mutation. C'est ça que j'ai dit. Vous nous dites que les, populations sont fatiguées, mais partout où vous allez à Zéhenchor, mais nous sommes en chantier. Mhm. Ceux qui n'ont pas quoi manger et quoi boire, je ne sais pas comment ils peuvent construire des, maisons en dur hein, euh, à des niveaux différents. Euh, donc, euh, voilà, c'est un peu paradoxe par rapport à ce que les gens nous disent. Et j'ai l'habitude de le dire aux jeunes avec qui je partage des qui. Il faut aller vers l'information. C'est pas sous les manguiers et les anacardiers que les informations vont vous trouver. Ce n'est pas rester du matin au soir, au moment où vous dites qu'il faut se, il faut se libérer de l'Europe, vous passez tout votre temps de 8h à 14h pour discuter sur un championnat, championnat étranger et discuter sur le sort et le devenir d'un joueur étranger qui déjà, hein, je pense, que est sous l'abri euh, comment des, besoins. Donc vous voyez, mhm. euh, donc il nous faut vraiment revoir notre manière de faire. Finalement, avec la nouvelle, euh, cette nouvelle politicien que nous avons, ça, je l'ai dit dans mes discussions parce que je ne suis pas avoir en, en, discussion. J'ai dit que malheureusement, voilà une opposition qui dit à la jeunesse Bon, vous avez le droit d'être paresseux, de ne pas chercher des opportunités, de ne pas aller vers, vers l'information, parce que votre statut que vous avez délibérément choisi est dû à un président qui s'appelle Macky Et vous portez en faux, justement Non, c'est en faux. Je vous dis, euh, combien de fois Je vous donne un exemple. Nous sommes dans le mouvement Naïtan où nous avons des problèmes de sécurité. Avec la 3FPT, je pensais comme ça, mhm. ils avaient initié euh, un, programme de formation de Je pense que ça crée de l'emploi. Encore qu'on parle que le Sénégal pourrait organiser la Coupe d'Afrique en 2025. Je pense que donc c'est une opportunité d'emploi. Mais je vous dis, dans tout le département, on est à plus de 100, 100 et quelques AIC, l'origami des Guinchons. Mais c'est seulement 6 AIC qui ont réussi à nous déposer des listes de trois pour que ces jeunes-là soient formés. Et nous avons pris d'autres initiatives pour qu'on puisse avoir des bons de formation, mais les jeunes ne suivent pas. Je prends l'exemple d'un de mes amis qui a un atelier de qui, qui chaque jour, les travailleurs qui, qui sont sur la route, le boulevard, le boulevard des 54 venez. venaient. Et ce sont ces jeunes qui fréquentaient son atelier qui leur demandaient 200 francs pour l'été Il est allé négocier pour que ces gens-là puissent avoir de l'occupation, parce qu'il faut dire qu'à l'état actuel de l'économie internationale, j'ai dit, l'essentiel c'est de ne pas s'ennuyer, donc d'avoir une occupation. Donc le gars qui lui dit, il n'y a pas de problème, chaque quinzaine, il peut se retrouver avec 40 000 francs. Celui qui demandait 200 francs par jour, à qui on propose un salaire mensuel de 80 000 francs, mais vous savez ce que les jeunes lui ont répondu. Euh, c'est difficile. Donc les opportunités ne manquent pas. <laughs> Les chantiers qui s'ouvrent à Zienchor, vous arrivez, non, la main-d'œuvre est importée. Quel est le problème Là, j'interpelle la Chambre des métiers aussi mhm. pour qu'ils nous disent il faut aussi qu'on redynamise aussi les, les conseils de quartier pour que des forats puissent être organisés au niveau de ces quartiers-là, pour qu'on puisse conscientiser ces jeunes-là, mhm, mhm. pour qu'ils se disent que aujourd'hui, euh, comment encore, euh, aller à l'école, les diplômes ne vous servent qu'à pouvoir faire des interprétations objectives pour ne pas se faire tromper. Le reste, je pense que le reste, euh, l'argent n'a pas de, de, couleur, je pense. L'essentiel, c'est de ne pas s'ennuyer, l'essentiel de, de, s'engager. Nous, avons euh, euh, un emploi garanti jusqu'à jusqu'à la soixantaine. Mais n'empêche, il y a eu des moments, nous sommes dans, dans un pays dans un pays festif. <laughs> tu ne fais pas, mais tu as tu, as, tu, vis la pression du voisinage, <coughs> c'est la, pression familiale de la société, tu es mhm. obligé. Comme on ne peut pas aller voler autre là, on est obligé de, de, s'accommoder avec d'autres activités euh, connexes pour pouvoir joindre les, les, deux bouts. Parce que le salarié au Sénégal, il n'a pas que son épouse et ses enfants, il a les neveux, il a le, grand-père, il a, il a, le voisin. Donc, par rapport à ça. Donc, c'est pour cela que je salue jusque-là la générosité des travailleurs sénégalais la générosité du travailleur sénégalais. Maudodja, euh, vous l'avez dit et assumé, vous êtes un politique euh, qui euh, joue sa partition pour le développement de la nation. D'abord, nous allons faire l'appréciation de ce qui se passe dans la Chambre qui représente un peu tous les citoyens sénégalais. Je vous parler de l'hémicycle aujourd'hui, donc, qui est chamboulé, mouvementé à cause du comportement de nos élus. quelle appréciation faites-vous je, je pense que je m'indigne au même titre que tous les Sénégalais euh, nous, vous savez, je suis sorti d'une grande école politique, l'Alliance Jeffiel. Nous avons fait toutes les propositions euh, dans ce pays par rapport aux chartes de l'élu. Euh, j'étais là quand on pensait à mettre sur pied la charte de l'élu, que ce soit local, parlementaire et autres là. C'est pour cela que je dis que je suis sorti de la grande école. Je ne l'ai pas appris dans l'Alliance pour la République j'ai appris à l'Alliance pour le progrès de la justice qui vient. Grand chapeau à mon. C'est ça que je dis, mon maître en politique, c'est Alessi là. C'est qu'un homme comblé, hein, humble, vraiment, qui sait réfléchir quand il le faut. Maintenant, euh, nous avons vu euh, certains comportements de nos élus c'est la raison pour laquelle moi je me dis, quand quelqu'un dit que j'agresse, je défends mon mentor parce qu'il y a un marabout qui lui qui ne donne l'a pas respecté. Je pense que ça, il faut tirer en clair. J'ai écouté plusieurs fois la femme, les propos de la femme, mhm. et elle n'a pas insulté. Elle n'a fait que rappeler des engagements qui n'ont pas été respectés par le marabout Moussa euh, et, le Sénégal est, une république. Euh, nous ne sommes pas dans un pays, euh, dans un pays islamique ou bien dans un pays, euh, comment encore, tarihiste. Ça, il faut que ça soit clair. Nous sommes dans une république. Bon, peut-être que ça peut trouver de la place dans, dans les coups de pied et la gifle de ces deux députés. Mais chez moi, qui, qui se réclame euh, un, comment encore un musulman. Non, un musulman tout mhm. court qui, qui est en dehors de mon père et de ma mère, du prophète et de qui là, je ne perds pas du temps dans, dans certains qui, je vois que euh, c'est, c'est, une insulte à la République du Sénégal. Maintenant, c'est la raison pour laquelle il nous faut revenir sur le mode du pour le choix de nos élus, que ce soit nos élus locaux euh, comme nos élus, au niveau, national. national. Nous avons 165 députés. Je pense que il faut qu'on passe au système uninominal à deux tours. On a 165 députés, mais qu'on puisse avoir 165 circonscriptions électorales. Ce que je veux dire en résumé, la liste proportionnelle doit disparaître. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si on m'aurait fait deuxième sur la liste proportionnelle de l'Alliance pour la République, mhm. à la sortie des élections, j'ai perdu à Kanyala. Mais est-ce que cela m'empêcherait d'être député Mais non. Parce que je suis deuxième sur la liste proportionnelle de Benoît Bokuyakar. À l'avant, je peux pouvoir, pouvoir, faire des engagements financiers auprès des gens, des MLEP, parce que c'est assuré. Je peux même ne pas battre campagne. Aujourd'hui que je passe député et que le président nous dise, bon, euh, j'ai un grand projet au niveau de Kanyalan qui prend par exemple 10 hectares et que la proposition vienne, vienne à l'Assemblée nationale, je dois voter. je vais plus penser au président de la République ou bien aux populations de Kanyala qui n'ont pas voté pour moi. Est-ce que ce sont les populations de Kanyala qui ont fait de moi un député Ou bien c'est le président de la République qui a dit mettez Mordo à la deuxième à la place Donc il faut que l'engagement, quand j'entends des gens dire que ce sont des députés du peuple, c'est que nos députés sont mal élus. Rares sont les députés, même qu'on investit au niveau sur la liste majoritaire, qui sortent avec un score de 50%. Donc qu'ils passent leur système du Raoult-Gadou doivent disparaître. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut penser OK. Et dans les quartiers aussi, pour le conseil municipal et départemental aussi, il faut qu'on pense à cela. Donc, Ziguinchor, si on devait avoir des députés, peut-être qu'il y aura un député qui sera élu dans la commune de Ziguinchor et les deux autres arrondissements vont se partager l'autre. L'autre qui. Donc, il faut que le système, il faut qu'on approfondisse notre système démocratique. Donc il faut pour vous, il y a un problème justement dans non, système. Non, c'est dans le système électoral et dans la manière de, choisir nos élus. Moi, mhm. euh, celui qu'on choisirait par le système, j'ai dit, des 165 circonscriptions électorales, même s'il est choisi par son parti, il va battre fort, c'est par rapport à son caractère, à son <coughs> comportement vis-à-vis des populations, mhm. que les gens, qu'il réussira à, à gagner la confiance de ces populations. Et une fois qu'il est élu, il défendra plus les intérêts, comment encore, des populations qui l'ont élu, mm-hmm. que de défendre les, intérêts d'un lobbying, que ça soit euh, politique et, j'en passe. Donc, je pense que c'est sûr. Il nous faut revenir. Il faut que tous les acteurs politiques aussi reviennent pour qu'on discute du système. Hein. Quand j'entends les gens parler de système, pensant que c'est un système des présents qui sont succédés, non, non. Il nous faut encore revoir, adapter nos réalités, notre démocratie, nos textes par rapport à tout ce qui s'est fait dans, dans un monde qui, qui veut vraiment qui, qui se dit vraiment démocratique. L'ampleur ou les orientations justement que cette affaire euh, donc, euh, est en train de prendre, est-ce que vous félicitez que la justice joue son rôle euh, par rapport à l'acte qui s'est vous savez, vous mhm. savez je pense que chaque jour que Dieu fasse, nous devons, qu'on soit euh, avec le président Maki ou pas, chaque jour il se fait insulter publiquement. Je pense qu'il est, qu'il continue à rester serein. Euh, c'est normal que la dame qui est agressée puisse déposer une, que ses amis, que des organisations puissent, puissent porter plainte contre ces derniers-là. Parce que si on n'arrête pas ce qu'on a vécu depuis l'installation de cette législature-là, effectivement, eh, j'ai dit, disons-nous qu'aujourd'hui, sont des, c'est, une gifle, euh, ce sont des coups de pied. Demain, ne soyons pas surpris que des gens utilisent des armes à feu en pleine session. Et là, ça sera le com. C'est normal que le procureur s'autosaisisse et que ces gens-là puissent répondre à la justice. Euh, c'est le seul gage d'une euh, paix durable euh, pour, dans ce pays-là que nous partageons et que nous chérissons tant. Ça, il faut, il faut que la justice fasse son travail. Cette affaire arrive euh, maintenant, Oui, allez Allez il faut que les gens aussi évitent, euh, comment encore, comment on le dit encore, le qui verbal. Hein. La violence verbale aussi est devenue, on est devenu trop, on est devenu trop, comment encore, vulgaire. C'est qu'on n'a plus de limites quand on quand, quand on prend la parole, c'est que ce que les gens disent, on s'en fout de celui qui nous écoute et autres L'essentiel, euh, c'est, c'est de faire le buzz. Encore que les images se vendent aujourd'hui. Donc chacun peut se permettre, au nom de ses intérêts personnels, de blesser l'autre, euh, de boffer les principes qui, qui, comment encore, qui sous-tendent la République. Mhm. Et, et, c'est ça euh, qu'il faut éviter. Hein, si Réali l'a dit, la formule qui, ferait mhm. exploser encore le monde sera plus accessoire que militaire. Mhm. Et ces choses que vous évoquez, c'est une menace réelle pour notre démocratie. Pour notre démocratie. Et je pense qu'il faut que les acteurs, des fois, mettent de côté leur ego, que les gens puissent s'asseoir autour d'une table. Dans le passé, les gens malgré la rivalité et l'adversité politique qui existait, en un certain moment, ils sont mis autour d'une table pour discuter de l'essentiel. Effectivement. Et malheureusement, voilà, euh, c'est que ça, je l'ai dit, la nouvelle, auparavant, c'était possible, parce que c'est ce qui animait, euh, encore, la vie politique. Ils sont passés euh, de la clandestinité et par la suite sont battus. Donc, malgré leurs revendications, ils, avaient eu la chance de puiser euh, comment encore le sentiment des populations de la profondeur. Mmh. Donc, il, il, leur arrivait qu'au nom des intérêts de ces populations-là, ils pouvaient mettre de côté leurs principes politiques, et aller à la table de négociation pour que les gens puissent relancer la paix et autres là euh, pour euh, l'intérêt du pays. Vous évoquez peut-être la posture qu'incarnait Abdoulaye du temps de Abdoulaye Wade, oui, ça, mm-hmm. ça, cela ne l'a jamais empêché. Quand mm-hmm. Dieu a décidé qu'il devait être président de la République, mm-hmm. il, il, est devenu. Il est devenu le président de la République et il a fait son temps, il est parti. Macky Sall euh, partira, partira s'il arrivait à avoir 20 mandats aussi, il ne, serait que le quatrième président du Sénégal, mhm. pas autre. Euh, donc, euh, ça veut dire que vous, vous, êtes euh, un, militant de la troisième non, candidature. Moi, je vous dis, mhm. je, dis, de, la, de, la, même manière que les autres de la, comment encore, de l'opposition ont le droit de dire qu'ils sont contre de, de la candidature du deuxième quinquennat du président Macky Sall, c'est de la même manière que nous autres partisans, nous avons le droit de revendiquer son, euh, comment encore, la légitimité de cette candidature. Mhm. Maintenant que cela reste dans les normes euh, de, de, la démocratie et que les gens s'y débattent comme, comme, comme, comme, comme ça se fait actuellement. Mhm. Mais dire que... Euh, j'ai discuté avec un qui me dit, si Mauro euh, Mauro, tu, pro, encourages cette, candidature-là. Demain, s'il arrivait à avoir des morts, qui serait responsable. Responsable parce que je suis un Sénégalais qui vit dans une république, dans un pays démocratique, mhm. qui a pensé, qui a fait une interprétation des textes de la conscience, qui voit qu'en réalité, le président de la République, Macky Sall, jusque-là, il n'a pas déclaré sa candidature. Demain, s'il si le parti l'investissait, qu'il avait ce droit-là, lui me dit non, non, toi tu, n'es qu'un compte contre, que tu vas te donner la mort, et quand tu vas, quand tu vas te suicider, donc c'est parce que j'ai fait un choix que je suis, je suis responsable. Dans les lois même, je pense, des religions, celui qui va se suicider, il n'a pas droit à la prière mortuaire. Mm-hmm. Donc il faut que les gens aussi reviennent. On, on l'a fait, des gens sont morts en 2011 pour la candidature de Watt. Ce sont les mêmes gens qui amené les gens à la place de l'obélisque qui sont revenus dire euh, j'emprunte les dires de, l'autre là, de Barthélemy, qui disent que nous autres politiques, on savait très bien que Watt avait le droit à, à, un, un, troisième troisième mandat, mais vous voyez, nous sommes dans un pays sérieux où vous, vous le savez, des gens étaient en train de se faire tuer toi, tu le savais, tu gardes parce que tu avais une garde rapprochée bien gardée, qui pouvait. Donc, en 2024, si le parti juge nécessaire euh, qu'il doit être, qui, moi, Mauro, j'ai vu les réalisations du président de la République, je l'ai dit, j'ai vu les opportunités qu'il est en train d'offrir à ses concitoyens à travers ses infrastructures. Euh, donc, je soutiendrai en toute responsabilité cette candidature-là. Maintenant, demain, mhm, mhm. s'il ne devait pas le faire, euh, s'il s'il se disait qu'il n'était pas intéressé, moi, Maudo, je porterai au sein de la coalition Dogo pour le Grand Sénégal la candidature de mon ami jeune frère, le ministre, euh, l'ingénieur des points sociaux. Il est, il Il est présidentiable parce qu'il a fait ses preuves. Euh, je pense que c'est lui qui a lancé le FONGIP qui était un bébé fraîchement, euh, je pense que c'est devenu aujourd'hui une réalité. Quand on l'a amené à l'AIBD, au moment où les gens s'attendaient que la dette serait payée en 2029, il a réussi à le faire en 2022. Et vous allez voir les prouesses aussi qu'il va faire dans au niveau, du... au Il a déjà commencé. Hein. Donc, il faut, il faut s'approcher de Doudou pour, pour le savoir. Hein. Quelqu'un qui, qui résume son sommet en 4 heures de temps, qui pour le reste du temps passe tout son temps à travailler. Ce dernier, il est à encourager. Je crois à ses capacités parce que je connais l'homme. Je sais qu'il peut faire autant que Maki et, Watt. Hein. Il peut faire plus que ces gens-là le jour qu'il sera à la magistrature suprême. Maudodia, je rappelle, euh, auditrices et auditeurs, que vous suivez votre émission Carte sur table sur Génération FM. Maudodia, euh, les chamboulements à l'Assemblée nationale arrivent quelques jours après justement euh, cette affaire de disparition d'agents de, sécurité qui a défi, défrayé la chronique au niveau du Sénégal. vous avez fait une sortie pour déplorer un peu les propos d'un Sénégalais établi aux États-Unis qui s'appellerait Ousmane Tunkara et qui aurait dans ses propos accusé votre mentor politique. Oui, vous savez, hmm. c'est pas parce que euh, notre ami et frère Jérôme qui a été cité dans ce qui-là qu'on va pas qu'on ne va pas euh, revendiquer notre amitié avec lui. Jérôme est notre ami, euh, on connaît l'homme. moi, je connais personnellement sa famille, une famille qui a longtemps servi dans l'armée, si vous vous rappelez, il y a son grand frère Luc Bandiaki qui est tombé au Libéria. Hein. Euh, nous, on le connaissait à l'école camp militaire. Hein. grand souriant. Hein. Euh, on était sous son aile protectrice de, ce dernier-là. Donc, on a accusé parce que tout simplement, nous, ça, ça euh, pour ceux qui ne comprennent pas, ça peut être un un problème pour eux. Mais à la veille des élections locales, si vous vous rappelez, au moment où les sondages donnaient vainqueur euh, Doudouka euh, aux élections législatives, et pendant que le la mouvance présidentielle se préparait au choix des candidats, euh, le frère Ousmane Sonko, quoi qu'il en soit, quelles que soient les rivalités, hum, l'adversité politique, il reste un frère le voisin, c'est un, un parent. Mhm. Nous partageons jour ensemble, encore que c'est par la suite que j'ai su que il fait partie de nos frères cadets au CMT. Hein. Je pense que je l'ai devancé d'une année, je ne sais pas, de deux ans au CMT. Donc, peut-être que j'ai, il a assis, il a assis sur, euh, un tableau que j'ai occupé. Donc, c'est un frère. Donc, il a fait éruption euh, euh, euh, dans le quartier général, à en face de la maison familiale de Doudou. Il s'est pris avec, avec les jeunes du quartier qui, lors des, qui, comment encore, des manifestations du mois de mars 2021, la famille, la maison familiale avait reçu des menaces des PASSEF. Et quand ils l'ont vu, donc ils étaient sur, le qui-vive et donc ils étaient dans une position défensive. Et voilà, il s'est pris par la suite, il s'est victimisé. Aidé par nos camarades de, la mouvance présidentielle. Vos camarades de la mouvance présidentielle. qui, qui aussi comptaient euh, profiter de cela je pense que ça, ça, leur a profité parce qu'ils ont été choisis comme candidats. Et ça a mal tourné. Ça a mal tourné parce qu'ils ne faisaient pas le poids. C'est que des fois aussi, quand vous êtes euh, dans, On doit pouvoir savoir se compter. Il faut savoir se compter des fois, que chacun se quoi. Se poser et devant le miroir, savoir si vraiment euh, tu le profil qu'il faut pour, pour, pour tirer la, la, la locomotive. En pendant cette période-là, la seule personne, le seul profil qui pouvait tirer la locomotive, c'était le profil de Doudouka. Nous sommes allés aux élections. Je pense que, euh, bon, ils nous ont accusés. Moi, personnellement, quand je partais euh, en alliance, quand le 2 c partait en alliance avec euh, comment, Baldé, euh, Doudouka n'était même pas au courant. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis libre. Je suis libre dans mes choix, je suis libre dans, dans ma manière de penser. Voilà. Euh, Ousmane est sorti vainqueur. Euh, pour ceux qui croient vraiment à la mouvance présidentielle, ça a été un mal. Mais il y avait des gens qui étaient dans la mouvance présidentielle au nom du tribalisme politique. Euh, donc, ils pensaient que c'était, c'était bien et euh, leur coup avait passé. Maintenant, après, par la suite, que ce soit certains qui sont de la mouvance présidentielle comme de l'opposition, donc on continuait leur manipulation auprès des populations, surtout des jeunes. Des Il y avait le cas de Jakarta, mhm. pour qui connaît Doudou. Doudou a offert plus de, je pense que, euh, une seule ambulance médicalisée hein, euh, sur le plan pécunier, euh, comment, sur le plan financier, dépassé euh, la valeur des vins, des vins Jakarta. Ils ont continué à manipuler et c'était bien, ils ont continué. Mais le fils, nous, en un certain moment, on était remontés. On avait demandé à Doudou même d'arrêter euh, ses actions sociales. Et il a ri, il a dit ce que vous n'avez pas compris. Parmi tous ceux qui, qui, qui, sont dans, dans, l'arène politique au niveau local, je fais partie des rares à être natif de la commune de Zienchard ce que je fais, je ne suis pas tenté de, le monnayer avec un électorat. C'est un devoir d'un fils de Ziguinchor qui doit être à côté de ses, euh, de ses, concitoyens et d'essayer d'atténuer leur, souffrance. Et je continue à le faire. Et tout le monde sait qu'il a continué à le faire. Peut-être que les populations, en un certain moment, ont regretté leur choix. Parce que on ne peut pas te lire euh, ce sont des taxes à n'en pas finir ce sont des impôts qu'on impose sur la tête des gens pour quelqu'un qui dit que les populations souffrent du marasme économique c'est ce même dernier qui va venir dire aux gens là qu'il faut faire des cotisations de 50 000 francs. C'est combien de sacs de riz 50 000 francs. Hein? C'est deux sacs de riz. C'est, mhm. donc, euh, ne serait-ce. Donc, vous voyez, et je ne sais pas comment ces populations peuvent continuer à croire à ces derniers-là. Euh, où est le projet où le Vous pensez que c'est l'échec qui se décide Oui, qui se dessine. en 10 ans, c'est 80 milliards que vous proposez. On se dit qu'au minimum, pour 5 ans, donc 5 milliards doivent être mobilisés. Euh, quand vous, quand vous mobilisez 5 milliards, donc aujourd'hui, le bitumage, on aurait pu avoir une dizaine, euh, une dizaine de kilomètres de, de routes bitumées où est le projet de, pavage avec les jeunes, où est le projet de l'incubation des jeunes, où est le projet de l'agriculture dans les rizières de Kandiana, où est la monnaie locale, où est, où est. Mais vous voyez, euh, voilà, voilà c'est cet homme-là que malheureusement nous avons à la tête de la communauté Inshore. Mais nous, on n'a pas attendu. Doudou dit, les femmes, je vais continuer à les aider pour qu'ils puissent développer. Euh, donc c'est une centaine de millions euh, qui sont mm, qui est mise à la, à la, à la disposition des femmes de Shore pour euh, développer la microfinance. On est en train de travailler aussi avec d'autres microfinances, comment les aider à avoir la possibilité de, contracter comment encore des financements et de pouvoir développer. Ça, c'est un. Mais pour son quartier Boukot, mhm. c'est Boukot qui sera euh, comment encore, je ne vais pas à, à 100% avec les IC de, de, de, de, Donc, c'est un matériel de pavage qui sera installé et les jeunes y trouveront de l'emploi et ils vont, ils vont euh, comment encore, changer leur cadre de vie et ça sera. Il l'a déjà fait avec l'éclairage public. <laughs> Bukot aujourd'hui éclairé publiquement avec des lampes, des lampes euh, solaires. Donc, on est en train de voir quels sont les quartiers, surtout les quartiers périphériques, comment les aider à bénéficier de, ces, de, cet éclairage-là. Donc, on lui reste les, bureaux. Nous, on s'occupe du terrain. On s'occupe des préoccupations de Ziguinchor. Et 2027, Inch'Allah, on ne voudrait pas attendre pour dire. Mais c'est de montrer aux Ziguinchorois qu'on a la capacité de développer cette commune-là. Ce n'est pas de dire que Ziguinchor est une euh, est une, euh, comment encore, une commune carrefour. Non, non. Les voitures, quand ils arrivent au niveau d'un carrefour, c'est pour, pour le passage. Donc, on voudrait faire de cette ville-là la ville la plus attractive de la sous-région, encore que sa position géographique hein, entre la Gambie et la et, Guinée-Bissau pouvait devenir le Dubaï de, de cette qui-là pour que les gens, que ça soit un milieu où euh, les gens vont venir échanger, les gens vont venir euh, prendre des, opportunités où on va amener la jeunesse de Ziguinchor à se préparer. ne pas être dans, entre deux pays qui sont en voie, qui sont pratiquement, euh, comment encore, pas encore exploités, qu'il y ait une université, qu'on ait un aéroport, qu'on ne puisse pas penser comment hein, développer euh, les petites et les, moyennes entreprises dans ces communes-là pour que nos jeunes puissent se développer dans ces pays-là et euh, comment encore se faire fortune et autres. Là. Donc nous sommes en train de penser à, tout ça. Et à penser à votre candidature en 2000 euh, en pour l'élection locale prochaine. En 2027, ça peut être Doudou, ça peut être un autre Diki. Parce que quand Doudou finira avec tout le programme qu'il a initié pour la commune de Ziguinchor, hein, parce que... Euh, lui, c'est le maire sur le terrain et nous avons un, maire, des quatre murs, de, de bureaux. <laughs> Donc, quand il va réussir ça, est-ce qu'il aura besoin Est-ce qu'il aura besoin de dire Donc, c'est de dire à un de ses, de ses poulains, hein, donc peut-être que ce dernier sera euh, dans une posture de premier adjoint au maire là. Mhm. Euh, donc, c'est ça, c'est cette vision que nous avons. Et vous savez, je comprends des fois pour que que le euh, que l'actuel maire ait, des problèmes pour développer. Parce que pour développer une localité ici, géographique, il faut, il faut maîtriser, il faut maîtriser ce qu'il a. Il faut dominer ces localités-là. En ce que je chasse, il a perdu tous les repères de la commune de Ziguinchor, donc il lui sera très difficile de savoir comment faire. Euh, dans les collectes, j'ai vu, euh, j'ai discuté déjà, on a dit qu'il y a un organe, il a créé des contrôleurs pour ceux qui sont sur le quai. Mais au XXIe siècle, on continue à faire les, la collecte de manière manuelle. Pour quelqu'un qui se dit qu'il a les capacités de développer un pays. Au XXIe siècle, au moins dans certaines communes aujourd'hui, les gens utilisent les nouvelles techniques de l'information et qui là, pour mhm. faire des collectes. Euh, comment encore Sécuriser, vous continuez. Vous continuez à faire du manuel vous continuez à mettre la pression sur des travailleurs, un de mes dit, mais aujourd'hui, moi, je peux collecter pour 100 vendeurs. J'amène par exemple 10 000 francs. Si l'un de ces gens-là, de ces vendeurs-là, tombait malade ou bien avait une cérémonie, ne vient pas, c'est sûr que je vais collecter moins. Et que le contrôleur me dit, la semaine dernière ou bien hier, c'était temps, pourquoi aujourd'hui Vous voyez, ce sont des paramètres que les gens ne maîtrise pas. Donc ça demande vraiment une réflexion. Et là, j'ai dit, par rapport à la commune de Ziguinchor, les élections sont passées. Les élections sont passées, il faut que le maire travaille à mettre sur pied un, organe consultatif. Vous savez, la plupart de ceux qui se battent pour le développement de leur quartier, ils ne sont pas dans ces sécurités politiques-là. Ces gens-là, il faut aller les prendre. Ils sont dans les OCB, ils sont chez eux. C'est seulement à travers cet organe consultatif qu'ils peuvent apporter leur, leur, leur, pierre à, la construction de, l'édifice. Donc, il faut qu'on arrête. Et encore, quand je vois, quand j'ai consulté la plupart des, adjoints au maire, qui n'ont aucun passé pour Zéhenchor Khalil. Comment ils peuvent Comment ils peuvent D'autres, ce sont des études qui les ont amenés non. le sens, ils ne sont pas des figures du terrain. Je m'excuse. Le figure du terrain, c'est quelqu'un qui connaît. Oui, mais, mais ils ne peuvent pas. C'est le mal que nous avons. C'est ce que je disais sur le plan géographique. Hein? Ça pose problème. on conseille qui ne peut pas te parler, par exemple, du passé de Kandiala. Comment ce, dernier-là, il n'est même pas connu, comment ce dernier-là peut peut faire des propositions objectives pour, pour, pour, pour, Donc, on a, donc c'est pour cela, pour pallier à tous ces problèmes-là, je le conseille vraiment à, mettre sur pied ce, cet organe consultatif, de renouveler des conseils de quartier et de créer le conseil des conseils de quartier. Euh, avec le je pense que les conseils de quartier, même dans, dans, dans le passé, ils avaient beaucoup, ils avaient fourni des documents où ils avaient fait, ils étalé toutes les difficultés dont, dont ils rencontraient au niveau local dans les quartiers. Donc, je pense que le Ziguinchor n'a pas, n'a pas débuté en 2022. Donc, Ziguinchor a vécu un passé. Donc, il faut aller se ressourcer pour pouvoir faire, euh, un travail euh, vraiment digne de son nom pour l'intérêt des populations de Et cette affaire euh, qui a donc... Euh, non, voilà, moi, mm. vous savez, ils ont, ils ont accusé, ils ont dit que euh, le gars, d'abord, ce sont des notes. Il dit que, bon, vous attendez parce que j'ai mes notes. Ça veut dire qu'on lui a dicté et il a noté. Et il y a des gens qui ont utilisé ces, lieux et organes d'articulation pour qui le faisaient parler. D'abord, c'est l'opposition. Moi, j'ai accusé directement Ousmane Sonko. Ce sont ses pratiques. Et l'autre, je dis qu'il y a des gens de la mouvance présidentielle qui étaient dans le complot. Parce que nous, on savait que euh, les gens avaient peur, parce qu'avec la manifestation avortée du 3 qu'on devait faire, mhm. on était informé que des gens de la mouvance présidentielle, il y a de cela dix jours, avaient nuitamment fait une hein, réunion où le premier, il devait exécuter un plan contre Doudouka. Et euh, c'est de leur dire que nous sommes à Ziguinchor. La plupart d'entre eux, ils ne sont pas nés Asiens Ziguinchor. Hein, ils ne sont pas des figuritaires, c'est nous qui sommes des figuritaires et vous le revendiquez. Est-ce euh, qu'à dire aujourd'hui que vous revendiquez même devant le président de la République, euh, pour qu'il euh, prête une oreille attentive à Doudouka, à sa posture au niveau du Ziguinchor ah. est-ce à dire qu'il doit être rétabli au niveau de la chefferie vous Non, je pense qu'aujourd'hui, j'ai dit, mhm. vous savez, nous avons très tôt compris, pour que les gens ne profitent pas de notre, de la posture de Doudouka, pour qu'ils puissent prendre, comment encore, le maquis. Euh, parce qu'on est informé, on sait tout ce que se passe. On ne revendique rien. Personne ne peut nous euh, ôter euh, notre appartenance à la mouvance présidentielle d'être des jeunes hein, du président de la République. Maintenant, il y a la vente des cartes. Je sais que les gens ont peur que demain, qu'il y ait des, confrontations pour celui qui... Non, non des gens ont été à, à la tête, sont, sont des responsables communaux, départementaux, régionaux. Est-ce que ça nous a empêchés d'exister en tant que Dogo pour le Grand Sénégal Est-ce que cela nous a empêchés d'être, d'aller à la rencontre des populations Est-ce que cela nous a empêchés de réfléchir sur comment, comment atténuer la souffrance de nos concitoyens Non, c'est l'essentiel. Le reste, ce sont des détails. Donc nous ne sommes pas une coalition de détails, donc on ne peut pas gérer des détails. Ce qui nous intéresse, c'est le document, c'est la carte. Et alors, donc nous sommes de la mouvance présidentielle. Demain même quand les gens vont, voir, voir dans, des renouvellements, qu'ils ne soient pas surpris, le dogou nous, suffit. Hein, aujourd'hui, le dogou qu'on pensait, aujourd'hui est devenu euh, un mouvement national, Et malheureusement. Et je me dis que dans, dans, dans l'équipe, mais la mouvance présidentielle, aujourd'hui, l'APR, <laughs> mais s'identifie, s'identifie au Dogo pour le Grand Sénégal. En dehors du Dogo pour le Grand Sénégal, je ne dis pas qu'il n'existe pas d'autres cadres attractifs, mais le cadre, le mouvement le plus attractif hein, qui fait Hein? Comment le buzz, mais c'est le dogou qu'ils acceptent, c'est la volonté divine. Hein? Comme nous, nous devons accepter qu'aujourd'hui, que pendant trois élections, c'est Ousmane Sonko qui, qui, qui a gagné. et, nous respectons ces décisions-là. Donc, mais on se dit sous peu de temps. Euh, la tendance sera Non, j'ai dit, euh, euh, il a lancé le, comment encore, Némé Koutour, nous. On a commencé notre Semputour aussi pour que demain, que le Dogou, hein, que la, mouvance présidentielle à travers le Dogou soit la première force politique en Casamance. Maodo Dia moy euh, suñu invité mbokk yi di len nuyu ku nek ci roram ak santam di len fateli euh, sen émission carte sur table ngeen di déglu Maodo ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay xale. di la gërëm sànq maa ko doon wax. Mm-hmm. dañuy tok di len déglu ci walu yi da ngeen tëddee njaaxaanaay nekkal fi askan wi man ci walu sport man naa ko wax. Mm-hmm. mu am ñaar structure fi nek ñuy wujjee ni ngeen ni di taxaw ni ngeen ñuy taxaw noonu ngeen di taxaw ci wàllu politique danaa gis nag ay saay bu publication ku a dal ci yéen man damay que li ngeen mm-hmm. wane fi ba léegi ndey ji seex ngeen que mm-hmm. da ngeen tëddee njaaxaane. di mm-hmm. na ci wéy. parce que def naa ci waxtu bu ñu nekk ni mënoon ngeen am yenn nekk ay parce que na ci taskat xibaar yi na ay dóorkat. comprendre Mm-hmm. man moom gisuma ko ci yenn dama koy wax seede ko fi ñëpp xam ko donc Khalil figure nga continuer loonu ñun ñu ngi lay encourage ñu ngi sa ginnaaw taxaway bu équipe bi yëpp la mo taw moy gërëm sama équipe bi sama collaborateur yi ñi nga xamni ñi ngi fi tay ki yor machine yi koku di Patrice ñu koy nuyu Papis Ibrahima Gassama moy tax rek ñi ñi sétane suñu plateforme digitale Papis ngi lay nuyu euh, Maodo euh, kan moy Maudo euh, jité nga mouvement politique bala ngay dugg ci coalition bi nga xamni ne la koku di dudu Ka di jitt kan kan moy Maodo aw ak li li indi ci politique voilà li ma duggal ci politique sax man dama judd fekk sama papa di politique sam papa Ousmane Dia ñu def na kanyana yàlla na ko yàlla xare arjana mom lu ma dama judd fekk muy politique nek parti socialiste nekkon ak Mamadou Abdoulaye Sy tay ku dem jangi kanyala ganaw collège bi fa nek mhm. man sam papa mo taxaw be école nek ñin nga xamné ni dañu judd dugg école avant 79 dix neuf moo tax ju jàngeewuñu ñu euh, Matar Jéeme ñu jàngee école camp militaire. Badara mm, Diallo Badara Diallo. Euh, may fàttaliku ñoom sama ñoom pap am na fenn fu ñu doon ooy Kajukro foofu lañ ko bëggoon def famille tab bi bañ ñu ñaan ak waa Kañalaan Lawbe suma mag suma rakkam di Lansana Diaw ma euh, may ne Lansana Mamadou jaaw di papa Lansana Diaw parce que son on est des mm-hmm. ñaan pour nañ ko pousse mooy actuellement fu Matar Jéeme nekk. Matar Jeme bi nak mom Mamadou Ablaye si ñaanu pour ñu tuddé ko xaritam donc mom dafa xex be ñooñu suñu papu yoy muy Mamadou Diawo muy Idrissa Ndoom mhm. hein, jamono bobu sama frère sama papu Insa Sagna di actuel kii donc ñu bëree ñom ñoom liige soow hein, ñu bëree tay gën nañ fi ñin dañ leen nar a delloo njukkal parce que ñu xex pour ñu bokk communication mais dañu xex aussi pour ñii ma di jang ngi ko ay années 80 ñom nañ sa be car urbain yi hein jamono bobu xam nga ki wu la mhm. yenn ma da ngay yenn yenn fajar ay jaxato def parce dañ doon yenn depuis be bu ko ko suñu yaay dem jël sac dem jang ñu nekk ci loolu nekk donc mu am lu indi déclic bi sax fàtte naa ko ci nasaraan dama toog. Mm. amoon nekkoon manager benn groupe rap bu ñëwee Black and Life Possible. kon laal nga si rap BLP waaye nekkoon naa boo seetee image <laughs> boo seetee image euh, ni mu tudd encore régional. Mm-hmm. ah da da nga gis ni j'étais avec mes gosses. ñu mm-hmm. dem xale yi dem rajo. ma intervenir j'ai tiré comme ñu gars yi def j'ai tiré sur le pouvoir en place le parti socialiste. Mm-hmm. mon père est produit du parti socialiste gars yi ne ko way sa gi def na sortie nee na lancé wu ci politique et comme je suivais la sama papa teg ma pression mune ma non gars yi nañ nga dem parti socialiste fala laa nekkoon ma non non mune non léegi waxal fo nga am parti bo bo ki def naa jour jeudi la euh, suma ben xarit muy lan lan lan Fati génn na adina mum tam yalla nako yalla yàlla mo jox numéro Talla ben jeudi mu jóg dama ko noté sa suma archive oo oh, Talla noonu la connexion bi ñëwee.

génnee ministère de la justice yaay yooyu yëpp dañ ko xalaatoon kon mhm. bu ñii di wax mota bu may deug ben l' euh, l'actuel maire muy nekk député ne buñu prolonger mandat député damay démissioner mané du bees ci jëf-jël parce que en 2006 bu né ne dañuy pousse élection en 2007 Moussa Tine dafa démissionné won ay delloo auto ay nangam ñun du lu ci ñun moo ñu bëri dañu wax suñu wax mané Ousmane ne m'apprend rien en politique lim mu wax rek moy ay tëggaat la rek quoi. mënoo mhm. fi wax c'est comme Talla Sylla jaaroon na si quoi. non wax nañu on a mhm. vécu ñun amul lu ñu dundul. Euh, comprendre wa léegi na tey man nga wax parce que tey y a l'internet et autres là mais ñun dañu dund loolu yëpp. donc noonu la Maodo duggee ci politique tey euh, may jiite le 2C2D le cadre citoyen pour un développement durable nekk ci mouvance présidentielle mais surtout dans la coalition dogu boo xam ne ni suma doomu ndey sama rakk di sama xarit euh, le ministre Doudou Ka amee transport aérien jité ko donc voilà en résumé li ma duggal ci politique donc damay wax gars j'ai pas soxlo ma dem ci ci ci kii yu mag yi pour jang politique parce que dama tok diko ko dund. xam nga mhm. sama papa dañ don toog ñu waxtaan benn jour suñu discuter parce que c'était un papa vraiment ouvert. Mhm. su may wax nangam nangam mu xol ma ben jour mu ne ma doom waaw. c'est que da ngeen di jàng tuuti rek ngeen yaakaar da ngeen xam mu ne te nit ku ñuul nag lu mu gën a jàng gën a dof jamono su koy wax dama du ma comprendre mais tey laa gis ni dof gu am biir Sénégal yëpp ak yu am Afrique rek. jàng ñu ne ñoom ñoo gën a jàng ñoom ñoo koy indi parce que malheureusement lu nasaraan philosophie di ooyee ils ont fait plus de de d'encyclopédisme ci seen cursus moo waral ñu am taxawaay googu xam nga nag. ku jàng mooy parce que lu nasaraan jàng rek ñuy def interprète ak kan moo def l'école de la rue seen interprétation gis-gis da wute. Mhm. moo tax kooku néew na kii def l'école de la rue néew lu muy salu par rapport ak kii ne dafa jàng parce que yow da nga toog bés fu nekk classe nga xam après nga ñëw jàngoo dara sa adina mhm. moo tax na boo moytul ñoom ngay gis ñu si gën a bëri jigéen man la nax parce que jigéen gi dana def école de la rue def loo école de la rue mu nax la. Mhm. mbir mi la demee donc ci anam yooyu la ñuy nekk sam papa ne ma dama am film mu ne dafa am film bu mu seetaan mu il a trouvé des jeunes officiers yu fraîchement de l'école en pleine guerre. Mhm. mu gis leen ak livre quoi ñuy réviser. ñuy Nous ni ñuy comporté aussi. waaw le vieux sergent mais qu'est-ce que vous regardez dans dans les livres là mu ne on est tenté de réviser nos champs de bataille.

filak juromi at lañuy ñuy tanat tànnaat jaraafu dëkk gi Ziguinchor nañ nañ len dajale ci l'essentiel ci lu am fayra nit yi defna mo am solo. Mhm. Maodo Dia euh, donc euh, wax nga fi nga taxaw si engagement politique euh, wante ndaw nga yagi ngi xool li nga am si assemblée nationale li nga xam ne temps fa gën si ay chaîne de violence yi nga xam ne soo nga sénégalais dans nga si xoolaat rek xalaataat lan moo nar a doon suñu élu surtout si assemblée nationale. moom lay apprécier mbir moom. moom lay wax noonu dañ koy ñaaw. am nga ñin man doomu doomu jarbaatu jorala deuk sama yaay joge mëfa fi deuk buñu ay Bettignères Essine man xamna naa poto poto xam naa Casamance. waaw ndax nangu rek. non ñi ngi xeex poto poto. non Bettignères poto ñaar Bettignères yëpp poto poto lañ xam nga ñaara am. <laughs> yaay deug di wax rek ñi ngi ciy liggéey. Mhm. et je pense que le ministre euh, aussi Doudouka euh, neena dina ci duggal loxoom ba jafé jafé yoy génn ci boutique yi. surtout pour defar piste bi. piste bi foog ñu défar ko man bima fa doon dem amoon na ñaar pont yi ñu fay dem c'était bien. Mhm. yaa yaay deug donc xam nañu lu jigen représenter ci Casamance. Mhm. Euh, def naa ni place bu ñu am li ma wër ci Sénégal place bu jigen am fonk bu ñu fonk jigen ci Casamance néew na ci yenen gox yi place boobu buñ ko jox. Mhm. kon su ma doonee Casamance yi doonu doon. Eh, doomu waa Betinière <laughs> kon ni ko waxee suñu sama dëkk la ma nit yaay dëgg mhm. kon kooku man dama koy dama koy dama koy ñaawul léegi nag ci tànneef bi la tànneef ñuy tànn tànn ñi ñuy ñuy taxaw askan wi moo xam ci gox goxaan mo moo xam ci pencum ndaw réew mi loolu foofu ñu seetaat bu ñu ne dañu soxla téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ndaw bi woo ndaw réew mi ñoo xam ne dinañ taxaw

yoo xam ne nañ ne dinañ fa tànn fu nekk benn ndaw li moo tax système parrainage dama ne ñu teg ko parce que moo aussi euh, système du parrainage système parité bi foo ñu dindi ko pour que mu am mënuñu wax ni république lañu. Mhm. ñëpp a yem ñuy dellu ne xam nga góor gi wax dëgg yàlla def na lu bëri moom moo ñu sonal parce que électoral la doon tey booy jàngalekat nga dem xam nga ni tey ni jàng tey jigéen ñi ñoo ci gën a xarañ. Mhm. ci seen taxawaay jigéen ñi sax ñoo nar a bañ tey ñu ay waxu parité. ay Rwanda nañ ko parce que xare dafa taxoon ba ñoo ñoo ëpp donc buñ ci loolu buñ defee pàcc ñu dem man tey buñ ma defoon ci liste proportionnelle liste liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar battre campagne. ñàkk naa kañala est-ce que na ma député. man keroog bu ñu may ñëw bañ ne déposé nañ liste validé nañ ko man naa commencé jël ay boot jël ay engagement man naa bañ a dem battre campagne man naa bañ a gisee ak waa Kandiana waaw ñu jóge ci élection ma doon député waa Kandiana voté lu ñu ma su ma morom yi ne ma sax waaw yow de di nga doon député de da nga sàcc parce que doom mérité wuloo ko waaw président ñëw ne dafa am projet bu mu fay dem boo xam ne day nekk loraange pour doomu waa ñu indi loolu assemblée nationale man président lay déglu. suma président parti wala askan wi lay déglu. parce que askan wi woteeluñu la. woteeluñu ma suma yoon ki ma dem assemblée mom lay déglu loolu na pour ñu bañ loolu pour ñu bañ li am ni ne suma sëriñ mom fa yóbbu suma sëriñ lañu ñu xas damay dama koy tontul ki wax suma président lañ non donc fokk ñu soppi tanef ni tané. euh député député ci ci assemblée nationale loolu. Euh, ñun dañ ko yàgg xalaat ko ni ma ko waxee ci euh, ci école bi ma bàyyee ko man damay revendiquer rek école jëf-jël. Mm-hmm. moo tax yenn saa bu ñu ne yenn am na man man yii dund naa ko du tey xalaat nañ ko tënk nañ ko archive yi ñu ngi fii euh, bu ñuy def kii nu mu tudd bés fu nekk gars yi di ko wax nu mu assise nationale ah. Mm-hmm. mais assise nationale lu ñu puiser ci rencontre citoyenne yu alliance jëf-jël lañ ko jëlee. soo seetee lu ñu tënk ci rencontre citoyenne yu alliance jëf-jël yi à 80 90 pour cent ngay fekk assise nationale donc Sénégal lu ñuy di rappel ak ñun ñun wa jëf jël ndawu mm-hmm. jëf jël jamono boobu ñoko xalaat ko ñoo doon doon kon ku fi aussi ñuy rek xalaatoon nañ ko ko dañ lay rek parce que nous nañ ko

grand bi saa bu récréation am dañ ko don jege mu yalla jëlee ko Libéria moy militaire ñu reyoon ci marché bi Monrovia. Mhm. ci la bok donc famille la bo xamné ni famille boo xamné ne ni ñu yàgg Ziguinchor ñu loo ooyee figure di terra xam nañ seen taxawaay. Mhm. kon lool moy dëgg. donc légui nak Tunkara limna fa Tunkara dañ ko waxlo ku ko waxlo ñepp xam nañ ko mom Doudou nee do dindi tuuma di di teg.

jàpp nañ ne bu duudu qui rek ñoom danañ nekk léegi nag doon nañ ko lu ñu jural ñun gis nañ ko. Mhm. Euh, ñu même li bu ñu ci deful pour gàkkal deram wax lu ñaaw euh, boole ko ak ak askan waa Casamance euh, waxoon nañ Jakarta ay financement ak continuer di def ñun demoon nañ di da a arrêté ci bëri ñu fi yëngu ci langue politique bi man man maa juddu ñu fi ñoom beneen maire mooy signé seen. seen seen waaye acte de naissance man nag fii signé suma acte de naissance kon li def man wareef la waru gàll suma diggante askanu ma gis ay jafe-jafe di ko saafara léegi na ñoom bu ñu jàppee ni ñoom seen warugal mooy ne jàppale seen doom salaam buñ dana continuer def buñ ko deful dana continuer def té def naa taxawaay googu la am ba léegi. Mhm. léegi nag ndaw yi euh, gis nañ ndaw yi fan yi keroog bu may nekk émission ñi wa problème parrainage mané non c'est c'est que nak yéen a tànn Burok Burok moy né faut pas compter sur quelqu'un man nga defal sen bop nañu dellu ci ay coupe 15000 francs yoy lañ fi fekkoon ah, maa fatelé fàttaleeku euh, dem si yàlla Samba Gaku def na mais ku révolutionné dëgg les finales Yankuba Diatara ak Seeku Samb Seeku Samb bu genn ñi ngi koy jaale njabootam ñom ñoo révolutionné nawetaan moy finalité ci bir Ziguinchor c'était avec la zone hein une a ah, ñu fa avec euh, le président Moudou Badji mhm. ah, bobu aussi taxawaay suma mag Lansana Diao dañu parce que euh, mom la bo démé ci biti ngay gis ay expérience yu bees baax nañ koy indi sa gox. Mhm. loolu la defoon nee nañ mën nañu am ay final yu wute ak final yi fi yàgg am mu nekk lu lu lu lu extraordinaire boo xam ne am na fi donc Doudou mi continuer di jàppale bu kot danañ ko pavé moom fa la juddu éclairage public bi d'abord régler nañ ko bu éclairage amee bu tali baax yi def naa kii léegi ñu ngi xalaat jigéen yi financement ci la dëkk ak ñoom. Mhm. formation ci la nekk ci la dëkk aussi lu des mooy yeneen quartier yo xam ñi ngi ci périphérie bi moy Kanjalan Djibok yaay deug dëgg Néma 2 euh, Kenya euh, Jaabir Yoof Lindiane yaa ngi dëgg ak li wër ay jeefay ak yoy nan lañuy def avec ak suñu partenaire ba éclairage public bobu solaire bi ñu man leen ko yobul parce que lu ñu jàpp mooy ne dafa am kenn ku ñu fal ko xam bu fi ñé ci ay ci bureau lay nekk. duru japp ni mom moy doomu dëkk bi moom mooy figure terre deug moom la fi extrême di jóge mu jàpp ni lu muy def mooy ni nekk ci lan mooy développer commune Ziguinchor parce que dañu bëgg bu ñu amee gan bu ñuy fekk si ñu bañ a ruus Ziguinchor mel Ablaye def na jéego yu am solo mais doyul foog ñu yokk Ablaye Baldé def na ay jéego foog ñu yokk maa ngi koy gërëm parce que dëgg naa maye na 300 mayo aux populations de Ziguinchor muy waajal yokk yeneen 200 kon nañ ko gërëm loolu la doomu dëkk loolu ngay njëriñ sa dëkk mais doo njëriñ sa dëkk ci saa boo wàccee boo ñëwee si sa avion li ngay noté mooy yan xas nga leen di xas ay naankatu sàngara lañu yaa ngi dëgg du ñu liggéey yaa ngi dëgg waaye nawetaan la ñu dëkkee ak nangam ci wàllu nawetaan li ma jaaxal ñu muy saaga ñu si gën a bëri mooy ñoo xam ne ñoom ñoo amee gafaka mairie Ziguinchor soo jëlee trois mille trois mille jakarta yi fii daw ni fay nous mm, 000 francs mm. c'est 108 millions par an. c'est le dixième du budget de recouvrement de la commune faut fa le fonds de concours à fonds de qui nga dans man zone 2 bu muy 45000 la ci gafaka bi muy l'a muy billets avion ay garde di ci donc pour moi, non non non non dama ci lu mhm. c'est que ñak xam-xam warul xamo ni demal terrain Yo, da fay dem. Mhm. ñaata jigéen ñoo fa ay ndaw di fa jaay jël amul bu le mini transport day dox wala du ñuy tata bus mais c'était ce sont des recettes supplémentaires bu bu bu match ami taxi c'est c'est la même chose dëkk bi y dafay yëngu pâtisserie bi dafay dox transformation bi dafay dox kon kuy xas ñuy may opportunité c'est que le nawetaan est une opportunité économique pour les populations de Ziguinchor parce que je dafa créé même benn opportunité bu mu fi ñëwoon lu mu fi nekk loolu fi fekk ñu ngi xaar port sec mu def ko pour que kii port bi tey ko à côté

moo il faut que waa chor bu ko deful waa chor nañu créer ben organe consultatif où les Ziguinchor waa yi fi yeewu di xalaat ëllëgu chor liggéey sen dëkk parce que mënu ko. Mhm. Euh, Maodo Dia wax nga fi euh dëgg la Ousmane Sonko ci la euh, mais tamit sen bir APR amna ñi nga xamné ñom ñoom tamit il travaille à contre-courant. non mais mom la la wax ci complot yi ñin on savait que suñu naroon def suñu manifestation bi le. le 3 le mm. premier 1 un un euh, benn benn complot bu ñu préparé diggante France Dakar ak fi ki ndaw yi ñuy o ñin yegg nañ ko dañu xamul ñin fuñu ñu jëm ñin waa c'est que kuy wut maîtriser Sénégal du Ziguinchor moy nek jafé jafé ci moom. Mhm. kon seen mouvement ak seen lepp c'est que ñun wa dogu nos pires adversaires là nos pires adversaires ne sont même pas dans le mais c'est c'est en interne mais nañu japp ni yalla dogal ñun tay bu ñuy wax mouvance présidentielle gaay yi lañuy la hmm amna ñenn na wu tuddu seen tour ci yenn jotaay. sinon parce que ñu askan bi même benn njëriñ. amal askan bi njëriñ bu ñu nekk noonu ba ñemewuloo tuddu seen tour Ousmane ci yoon yoy lay dem ci la nekk dem xamna xawma xaw ma ndax xam ko wala xamoko ay nit mënuñu la fal nga tak ay micro toog. Oui, moi xaw ma monnaie locale am nga monnaie locale dama ne parce que nous, bu ñu conseil municipal en 2016. Mhm. c'est même Ziguinchorois sont venus nous proposer ça xaw ma monnaie yaa ngi mhm. ana fu c'est que booy Ziguinchor yu nekk au fait à l'extérieur man gisuma benn njëriñ boo demee diaspora yi à Matam dans dans dans le diaspora am diaspora même ben ben lañu amul man gisuma dara fi def xanaa di la oo di la wax sax nga wutal leen ay ay ay opportunité ce sont ces mêmes gens yoo xam ne dañ fi nekk di bëgg a teg nit ñi ay ay ay ay ay chantage ak yooyu ça ne passe pas la diaspora ziguinchoroise n'a aucune utilité luy seen njëriñ mooy fu ñu nekk noonu ñu fay gis lu bees ñu koy xalaat di wut ay partenaires indico ko léegi nag gox ñuy jiite commune bi ak yooyu foog ñuy ubbeeku ñuy ubbeeku nangu oyof pour que partenaires yi mën a ñëw aujourd'hui way damay des ay discours way non à la France non à nana yow xaw ma ay yow ça qui, sa vous ci qui, du sant ki yaa ngi dégg boo wax un nom toi Guy Marius Sagna rek moo la def ci ce tur t'as tax nga nekk wax ay waxu les dina man parce que ku ne Gundo c'est un nom africain mm-hmm. mais yo. Non, il faut qu'on soit sérieux. Ce sont ces gens-là aujourd'hui il faut développer la citoyenneté universelle dis nga aduna bi dafa métissé ci côté ci xam-xam ci ci ci ci deret ba nga xam ni ñi wax ñi ay waxu ñi der ak muy muy nit ku ku ci mm. parce que qui bi mëno ngi li nga boo demee yenn kii idée suñu nasaraan yi mm-hmm. euh, suñu ji jigéen yi mm-hmm. nekk tubaab yi moo leen gënal a te ñu ngi jur doom ak ñoom man nga leen ko tere mm-hmm. man léegi nag bu ñu fa amee doom ak ah, ci sëy googu ñu am ci doom man nga tere ne am nga sët wala jarbaat boo xam ne ni foofu donc gis nga bu ñu sonal nit ñi wax yooyu ay waxu dof la bëgg a entretenir une bande de paresseux yoo xam ne dañu toog sur place dama koy wax yaakaar ni nee naa la nguur ay opportunité rek lay joxe suma ma deux voies yu Boaké so demee bu timis passé tali boobu opportunité la créer jigéen yu fa nek di fa jaay ngi développer activité économique. Mhm. so fa demee jigéen ñoy gëna liggéey man lo am complexe nga dem tok man dama koy wax dama ne ne boo jëlee économie Ziguinchor ñu ñuko amé fofu dama ci juboo ak ki ak Ousmane mais duñu wa fi pourquoi on a le complexe d'aller chercher de l'argent finalité wut xaalis la la qui fait sa soxla. qui mhm. xam ko xam dafa doon a suuf da dafa doon lak ki dafa doon jaay da dafa doon dafa doon ki finalité bi les trois pierres oski gi nan oski tac. fexe os gi. ci gëna am solo koy wax nangam nangam lenn rek la ne bu la mais garantirul tout yaa yeewu sa kër ci suba boo jullee fajar wala boo jég jógee église fajar nga sangu ñaan tàggoo say waajur dem wut information am na port boo xam ne defar nañ ko fi mais ndaw yi foog ñuy dem man xalil mhm. boo laajee waa kap man dama nekk ci business yën man damay jaay soble damay jaay kii suma bu weer koor jotee bu boutique di def augmentation 150 ñu ma wër xam nañ ni ils achètent moins cher je pri prix yu di ni man pour ma xamné ni ngi rey man comprendre ngay kat nek pomme de terre ak soble fi moy ñëw man may jaay mo am différence 150 suma pourtant man am bénéfice loolu muy xalé yi ñu bay lu ni Europe plusieurs activités man am nooy occuper sa temps la léegi nag maa ngi ko doon wax suma benn xarit maa ngi koy nuyu di Mamadou Thior bu mu toogee ay ndaw di ñëw di naan këram kii place am mu dem gis ñi nekk ci tali bi ne leen xale yi ngeen di jox ba su nekk ñeen fukki dërëm ñu jënd ci na amul problème dañu ñëw semaine bu nekk mun nañu am juróom-ñetti fukki 40

on ne créer on peut pas sur mm-hmm. plus d'une centaine d'IC 6 AIC indi c'est 18 sur une opportunité de 300 personnes c'est 18 qui se présentent imaginez le pourcentage est-ce qu'au fait c'est de l'ambition est-ce que nous, lu ni wax noonu ni xëy amul ndax de euh, je pense que tu vas voir même à beaucoup aussi, quand on va commencer le pavage aussi, ils vont fuir parce que euh, euh, du ñu l'allemagne sonal cette solidarité qui encourage la paresse dans notre famille moy deug mhm. ci keur la fay nek ay fa jarba nek fa nangam wax bo ñuk nank la finalement sax jarul ngay dem parce que yay jëk dé parce que boo bëggee baaxal juróom ba dool nga fukkee. Mhm. lool fee ñemew ñu am sañ-sañ di dénoncer dénoncer le metti mais di wax aussi nguur na créé ay opportunité c'est pas parce que dafa am opposition bu fi nek nak la su ka jëlee cas man Kandiarang deux voies moi non noonu su ko defee ci yenen quartier yi opportunité yi dinañ yokk mais jafé jafé askan bi aussi ci dem ak dik bi dina wàññeeku ak yooyu dina dem tay ki nu mu tudu budget commune Ziguinchor j'ai pas besoin may wax gaay dañuy fay comme euh, même non mais ñak xam la Ziguinchor quatre entrées rek lañu am Khalil Yo xam nga ni ñaata entrée yo xam ne ne informel ñoo am marchandise du fa dugg te duñ ko taxé dama lay jox benn. Mhm. man Kandialang boo demee Bouténé pourtant état bi fexé na bé yoon bi tay defar nañ ko. Mhm. pourquoi fofu mënuñu fa tek nit bo xamné dina collecter du nek recette supplémentaire. noix d'acajou bu ni ñëw tay nguur gi war nañ ko doon yóbbu gambi tay fi lañ koy jaaral lu ñuy taxé magasin suma magasins, les doon activité bi man noix d'acajou bi kilogramme bi lay taxé soko doon def 10 francs par kilogramme 40 000 tonnes c'est 40 millions de 40 millions de kilogrammes c'est 400 millions supplémentaires pour xamné man na ko commune donc la ak investissement yi man nañ ko équilibrer mais dafay fekk géographiquement nga xam dëkk boo jiite. nga maîtriser mais aussi nu gox-goxaan di doxee nga xam ko moom lay wax noonu sam pap wax na ko nit ku ñu nu mu gën a jàng gën a dof malheureusement système bu ñuy évaluer Sénégal moo doy waaru xale yow da nga may gën a jàng nga jàng ñu dem examen nga jàng 19 leçons nga bay benn leçon. man ma yeew la ma jañe jàng boobu. ma jàll ma jàll mais ku gën a jàng. C'est suma grand muy mu né ci jang wuté nak jang a jàng réew bu américain c'est parce que lañu comprendre. Mm-hmm, parce que suñu wajuri dañ ko wax chance la mais war nañ jang chance la de di nga gis des fois sañu gën résultat ñi né diw dafa dé ñi né gën na xam nga loolu chance chance bu fekk nous, xam nga ni donc ñi ci ñu ñuy ñuy ñi évaluer ki ci

mais chaque jour mais d'abord ne mais grand qu'est-ce qu'il a mais est-ce que l'air c'est que il a mis de côté l'aspect politique les acteurs il parle aux acteurs il organise est-ce que vous mala mhm. quand il nous dit désormais votre coupe départementale il faut que coupe voilà une coupe du maire coupe du conseil départemental coupe parce que daf ko dund comme ñun ñu ko mhm. kon pour mu indi innovation mu indi mais je dois penser à subvention subventionner l'ODCAV et l'ODGAM kooku dafa xalaat parce que daf ko dund. Mhm. nak dund ko motax yalla na ma xam ban jour problème bu

77 439 21 20 à complicité ñi nga xam ñom ñoy ñooy suñu euh, techniciens yi Maodo Dia donc euh, balaa ñuy euh, jël auditeur auditeur yak auditrice tay ji tey lan ban jangat nga am justement si li nga xam lool moy la marche vers 2024 fi nga xam déjà les deux camps taxaw nañu bi nan non à une troisième candidature ñi nan oui à une troisième candidature. non jangaté lool d'abord ku jegi def naa sen rôle la.

am nañu sañ-sañ ne ni dafay présenté ñu am aussi fuñ ko teg légui nag bo ci bëggee teg ni waw loolu bu amé man damay dem xaru té suma xaro yeen mi né da fay nekk candidat yeen a tax ñu ngi xaar conseil constitutionnel. mo mm. amé euh parce que ñun gëm nañ ci ci dëkk dëkku loi lañ nekk. Mm-hmm. te te te ki mais 2000 2024 2011 amna ay nit yu fi génn àddina. Mm-hmm. ngir loolu mais ñàkk xorma ak ñàkk kersa rawul nga to moom Barthélémy mu ne ñun sa waay amoon droit am beneen nga xam ko ba pare ngay reylu ay nit moo tax bu gaa yi wax ni mais Macky keroog bu mu combattre keroog bu conseil constitutionnel génnee valider candidat turki non daf leen bàyyi foofu place de l'Obélisque moom mu de dem campagne mooy de dafa respecter

mais dana continuer di jiite réew mi kon hmm. nañu ànd ak dal gëm yàlla bu ñu nee ay jullit lañu ñeneen ñu gëm yàlla lañu nañu nangu ni yàlla lu mu jeexal kenn mënu ci dara hmm. lu mu dara ak numéro euh, donc toll nañ fi nga xam ne foofu heure waxtu boobu la jox pour émission bi 77 439 21 20 77 439 21 20 pour ngeen mën bokk si émission bi auditrices et auditeurs euh, nous sommes presque à la fin de cette émission une partition pour vous euh, donc pour que vous puissiez donc intervenir dans cette émission politique carte sur table sur Génération FM le numéro donc pour pour participer. Il y a déjà un auditeur en ligne. Allô Allô, allô oui, allô Oui, monsieur le Oui, ah, bonjour. man la Seydou Touré maa ngi woote Ziguinchor. waaw Seydou Touré na nga def. ça va alhamdulilah. waaw ñu ngi lay déglu Seydou si réaction. waaw mais monsieur Diémé. Mm-hmm. mais yaa ngi doog a indi ndaan-ndaan si sa émission. Mm-hmm. parce que wax ji leer na. ku am ku am seetlu ak xel bu ndaw d'accord na lu waa ji sa invité bi lu mu wax. Mhm. vraiment macha allah déclin politique bu mu wax leer na. Mhm. maa ngi koy félicité vraiment ne ko grand du ma wax ni ñu ngi sa gannaaw mais ñu ngi sa wet boo soo gis ñu. Mhm. ànd wàcc sur le terrain. waxtaan Ziguinchor parce que Doudou Ka kuy wax ak moom kuy wax politique neex na waxal. parce que jëfam jiitu na. ay réaction mm-hmm. donc boo dee si plan sportif mm-hmm. bëpp ASC buy Ziguinchor am bénéficié wu na ci ministre Doudou Ka si lu mu jàppale yi mm-hmm. boo waxee si jin suñu jigéen yi suñu yaay suñu jabar yi suñu sister yi tey ñu bari ñu ngi fi liggéey financement yoo xam ne ministre Doudou moo leen ko yombalal tey boo jëlee département Ziguinchor depuis jaañoo ba butut

xàccandoor dóorandoor am ndam. effectivement. voilà maa ngi félicité sa invité bi grand Maodo Dia. Maodo Dia voilà ñu ngi lay jaajëfal Touré euh, ñu jëlaat euh, kenn si auditeurs yi allo. allo oui allo oui na nga def. jàmm rek waaw tur bi ak sant bi fi ngay wootee. Salim Mballo. Ziguinchor Ziguinchor waaw depuis Kandiala waaw ñu ngi lay déglu Mballo. émission bi ñu ngi koy rafetlu bu baax baax baax. Mhm. yaakaar naa ni. Euh, Maodo Dia mu ngi wax nekk noonu ci kii bi lépp lu mu ci wax rek. Mhm. fu war la ko teg mu ngi ci dégg. Mhm. te Ziguinchor bu ñu buggee def ci kanam rek. Mhm. nañ ko jàppale au ak au lieu. incha allah te la mooy profil. boo xam ne moo nekk di jàppale askanu Ziguinchor. te loolu amul benn werante. te Maodo maa ngi encouragé ci kaw ci kanam waaw. ñu ngi lay euh, jaajëfal Mballo donc euh, si taxawaay bi euh, donc ñu daal di dem si su amee kenn ku nekk si ligne bi Papis amul Maodo ñu bàyyi la nga àddu d'abord si ñi nga xam ne ñoo woote ni donc si. waaye samay hmm. samay ndaw lañu ñu bokk mhm. doggu ñi ñu bokk deux c yi e, ku mujj wax moom boo gisee mu dugg dafa xam ne ni su may wax jëf jël dafa bokk ci ndaw yoo xam ne ñoom laa jëkk formé. Mhm. Ah. dès les premières heures fait fekk sax ils étaient pas électeurs hein, ñu ñu doon taxawu ci wàllu kii ñooñu école gi lañ jógee bàyyee ko fa ñu forger leen. moo tax mm-hmm. ñooñu nit mënu la wax lu ndaw Ziguinchor yi nga xam ne ni ñu ngi soog a ci politique ñu man leen appâté ba ñu dem ñooñu mën fa parce que ils ont fait l'école de la rue ils ont fait l'école di jëf donc ñooñu gisuñu dara loo xam ne lu bees la loo xam ne tey euh, indi nañ ko moo xam ci wàllu euh, mouvance présidentielle moo xam ci kujje gi. Mhm. loo xam ne lu bees la lu leen mën a jaaxal donc euh, di wax rek def naa ni Seydou Touré aussi maa ngi koy kii muy jàmbaar Doudou Ka dëgg hein, muy ndaw gu engagé yaa ngi dëgg nga xam ne ni dafa engagé wu ba ñàkk liggéeyam ci au côté de Doudou Ka hein, dama la bëgg a wax ni am na ndaw yu mel noonu Mm-hmm. ñoo xam ne jaral na leen du benn du ñaar yoo mm-hmm. xam ne ni ñàkk nañ lu bëri ngir loolu tey nag de plus en plus euh, ku ñu gis Assane Badji la ñuy gis nga xam ne ni moom mooy bés su nekk moo leen di réconforter euh, c'est Maodo Dia moo leen di mm-hmm. reconforter waaw ñu jël Maodo ñu jël am na ku nekk si ligne bi allo allo allo oui euh, tur bi ak sant bi ak fi ngay wootee voilà maa ngi tudd Ndiogou Fall eh, je suis pas je suis un agent de développement. ok partout dans le pays. Mm-hmm. ñuy liggéey avec euh, le ministre de la microfinance du côté microfinance. ok je crois que levier bu solo développement mm-hmm. intervention Maodo Dia. Mm-hmm. aussi et microfinance pour appuyer les femmes mhm. les jeunes pour que nous ayons accès au financement mhm. donc euh, là aussi je me koy parce que je crois qu'on on s'est rencontré jour bi forum bi mes filles euh, à l'hôtel Kadiatoman avec le ministre de la microfinance. Mhm. on, a beaucoup échangé sur des, des, des propositions et des possibilités de décentraliser les systèmes financiers au mhm. niveau des quartiers des fois des difficultés pour accéder au financement. Donc, mhm, aussi commencé avec ci mhm. je crois que dans nos aussi. nous mu développé tout avec les quartiers éloigner des des institutions financières. des avec. Euh, l'état ñu mën a taxawal li nga xam ne day day day maanaam population bi wala les personnes les plus démunies. Mm-hmm. ñi lay euh, jaajëfal sëñ bi donc euh, si euh, éclairage yooyu do mu renforcer la sëriñ nga doon yëkkati rek malheureusement dañ nek di liggéey ci benn programme mm-hmm. parce que dañu bëgg développer microfinance ci kanjala mm-hmm. alwar ji boog ngeen fàttee li mu am benn c'est que dafa am association may jité Mhm. synergie d'action pour le développement de Djibo Alwar Kanyana. ñu nekk fi ak suñuy mag ñu nekk ci diaspora bi ak yooyu. Mhm. je pense que sous peu de temps aussi ñoom danañ def ay actions euh, moo xam ay consultations ak yooyu yoo xam ne ñu ngi koy def. mooy ne mhm. lu ñuy pour askan bi xaaruñu pour di xaar. faté nañ ko. moom jóobu ma koy gërëm parce que ku engagé la ci nan la ñuy def ba ñu am kees entre Kañalan Alwar Djibok pour que fi ñuy dem amna période bo xamné ne ni activité économique dafay dox moy jamono ndaamaraas wi nan lañuy mëna def pour les acteurs nos sœurs nos femmes ñuy mëna am ku len lebal xaalis ñuy liggéey à moindre coût ñu ñëw comme ñing ci ñing ci ciy euh nar nañ ci liggéey waxtaan aussi avec le ministre nga xamné ne ci la nek pour que nu mu gëna gaawé ñu mëna tek caisse non seulement ça va créer de l'emploi

na ndaw nañu parce que dañ parce que final dafa ne suma leen ci élection yi nañ ko mm-hmm. ci loxo ministre parce que gis nañ ni buñ ko ak wax mm-hmm. lecture expressive yi parce que il faut le dire timbre bu baax bu neex mm-hmm.

wax ma yëfu microfinance wax ma yëfu formation wax ma loolu la lay wax soo waxee kii mu ne noono maa doon def du bind lettre sax buñ ñu may ne jërëjëf mais luñ ci tek dëgg nañ ko mais dinañ continuer parce que def naa ni tey comprendre nañ ni boo ne suma xaalis dama koy jël tey nañ ko dem jëli. Mhm. mënuñu ko dem jëli ñaata ñoo nekk ci nguur gi tey nekk fi lu duuru di def defuñu ko. Nous ñu jitu ko Nous avons ay responsabilité lañu la ya générosité bu Nous ci mom mom rek ko xam nous mm-hmm. am da koy partager ñep partager temps partager sommeil am dina ko sacrifier pour nous. ay nit donc nous. nañu ni amuñu kenn amuñu Nous amuñu benn parapluie Nous parasol parce que ça, bu mu métier moom mooy ñëw. mais mun nañu mun nga leen rassurer ni incha allah. waaye dinañ ne dinañ waxtaan non xam naa ko xam nga <laughs> xam na maanaam moom dinañ waxtaan on sait ku bëri yërmande la ñun xam nañ ko. c'est que hmm. yërmande boobu sax la ñu si gën a bëri di. profito di di def yenn yi mais nag on les suit on va Doudou va se sacrifier une fois de plus l'année dernière moi je te dis pour l'ODEGAM la finale c'était 4 jeux de maillot c'était ma 4 jeux de maillot 4 blousons trophées, médailles, ballons. Si ak suñu été frais avec les enveloppes c'est 3 millions imaginez loolu beaucoup ko c'est presque les 10 finales bu que coûté presque 7 à 10 millions pour 10 nous la def ci ñoom. c'est colossal bu fait un ni de ñàkk vous fu nekk yàlla di de yokk.

waa Ziguinchor nag ñoo defaral Ousmane Sonko parce que ñoo tax ñoo ko xéxal buñ koy bëgg japp ci problème Adji Sarr ne ma benn ñoo ko def 3e élection présidentielle ñoo ko def maire ñoo ko may ay député wax ma ben limal ma ben nga ne Ousmane li la defal waa Ziguinchor jox ma rek ben rek. <laughs> non man lii mënuma sama posture. non dafa amul. <laughs> non da nga ree non mais c'est que c'est que c'est que problème yow mënoo wax c'est que amalul mm-hmm. askan bi même benn njëriñ mm-hmm. lu dul saa mu jógee mu xas xam nga ku gën a yelloo xas ndaw mm-hmm. Ziguinchor Doudou Ka la parce que moom moo def ci ñoom ci xëy ci taxaw leen seen activité ci lépp ñin mi ànd ak moom sax amatuñu jàmm man def naa est-ce que aw ma ah Aliou def naa semaine gi yëpp à partir depuis démb maa ngi am ay ay ay parrainage parrainage boo waxee da ngay gis ay ndaw yoo xam ne sa Pastef lañ nekk mu nekk mu ne mais mais sa patron est-ce que du ma ne non mais yéen ñemewu leen ko <laughs> loolu laa wax suma doomu ndey Ali ma ne Ali waaw yow nga ma nekk émission di yéen nga ne nga ooma yow mi di liggéey mairie nga ne na dudu Ka parrainé yow nga yeewu mairie sa patron di conseil ñun ñu koy jox 5 pour cent de nos recettes brutes yeneen dëkk yëpp maire ñaa gis. ICI subvention cinq cent francs yo amoo sañ-sañ wax Ousmane Sonko na jox ICI sen subvention mais man am sañ-sañ dur bo ni dafa nekkal ci ker nekkal fi même ci ci ci buntu douce loolu moy deug hmm. man ngeen ko ne na est-ce que ni dañuy askan parce que bop ñuul rek ngay yenn diko suñu amul sañ-sañ ne Ousmane Sonko na avons jox na nous jox de dotation ak fonds de dotation nañu le sport est une compétence transférée mo tax ñu ñu leen di jox na jox seen ah khalis lool man ngi xaar ci di ñu or ñu exiger def marche dem sekki ko foofu mu jox leen seen xaalis parce que ñoom ñoo ko moom. bu ko defee am on peut s'attendre à une marche pour non mais non xam nga man tey su ma ko defee. Mhm. je suis man manoon naat bu ma ko defoon tey nañ politique la. Mhm. man de dama woon man je suis président de Degam damay jouer final. Mhm. nee naa les les les zones de de de de là la euh, euh, nu mu tudd de di renouveau incha allahu rabi suma responsabilité en tant que président Odegam danaa ko def danaa fexe ba ñu def seen final mais amna ñenn ñoo opportunité bi. so la zone 1. amnañu c'est Taïbou qui est leur parrain naturel. Mhm. ça ne pose pas de problème. Mhm. bonne une zone 3 le maire Papis djité ko c'est Ablaye Fall le père national un problème. xam nga avez amuñu problème. Mhm. bu ñu am moy ben moy bu Ali Diédiou, mom motam mom moy wax. ko régler mais da fa mairie <laughs> hein? patron amel un khalis

Et ça ne va pas continuer comme ça on observe cette année on a les subventions mais l'année prochaine les 5 du cent en ko on bras de fer sur mhm. parce que maintenant, toog di bloquer suñu Khalis au nom de un discours irresponsable il y a bu gens mu ont ana programme sport pour te dire que non mais mais yo, tu ne peux pas avoir le mouvement état

mom c'est sur euh, en tout cas euh, cette dernière phrase qu'on va donc euh, clore cette émission votre mot de clôture Maudo. donc bon allez c'est je suis c'est comme si je discutais avec mon frère oui effectivement pour tout ce que vous représentez pour nous mm-hmm. je me dis que les populations de Ziguinchor sont en train de, regretter leur choix. Et ils savent que nous autres, de la coalition Dogo pour le Grand Sénégal, on ne cesse de se déployer sur le terrain, de chercher des moyens pour atténuer leur souffrance. Mhm. Et comme ils ont choisi un maire au bureau, Doudou sera le maire sur le terrain. Donc nous travaillons et je pense sous peu de temps, Vraiment, ils verront les, résultats de notre engagement politique. Pour les Iguinchoro. Pour les Iguinchoro. Mmh. Et je vous remercie une fois de plus. Génération FM mm-hmm. qui, génère les, de bonnes idées. Inch'Allah. Merci beaucoup, en et, tout cas. Et, de bons programmes. nous, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous revendiquons. Dans mm-hmm. ma fonko, dans une situation, Beaucoup ci ñuy galgal ay doomu Ziguinchor yenn iñaan lay doon. Mhm. ñu ngi remercier suñu frère Ibrahim Mendy. le projet bi. Euh, aussi on est en train de travailler ci qui médias, média hein, TV on va y arriver sous peu de temps donc c'est comme ça initiative opportunité faut que que y créer. c'est ce qu'ils sont en train d'entreprendre pour Ziguinchor ñëpp xam nañ leen. Nous mhm. dul entreprendre nous effectivement donc nous. ngi lay gërëm di la santé yàlla neen djubale hein ñuy xaar télévision bi nak hein génération TV. c'est bientôt ça sera pour bientôt et hein, dana bax nga xamné ni on aura rien à envier à ceux qui sont à Dakar ñom ñoy ñuy envier parce que ku xam doom Ziguinchor bu nango doon ko xareñ da fay doon ko xareñ bu nango nek ciune nak kenn mënul dara ci moom te ñun nak wax deug yalla naru ñu doon ciune mm-hmm. nañu gor góorgóorlu ay sénégalais comme ñu ay doomu aadama nañuy xey ci waxtu.

à euh, la Génération FM dans cette émission Carte sur table, présentée et réalisée par votre ami et fidèle serviteur Amadi Khalilou merci à Patrice Mendy pour la technique, merci à Papi Sibrem Gassaman euh, pour la digitalisation, merci à vous auditrices et auditeurs pour l'écoute attentive, merci à vous chers internautes pour euh, donc cette écoute attentive. Vous nous avez suivis partout donc dans le monde, Abraham Mingou, Eladjo Modou Kader Sadio, et gomis Alcalo, Samate, Chertidian faye néné kandjegia Baizal, entre autres personnes qui étaient donc sur euh, ah, de A à Z voilà <laughs> allez au revoir auditrice et auditeurs